le forum the studio le forum the studio Kalamgou forum the studio Kalamgou forum the studio Kalamgou forum the studio Kalamgou forum the studio Kalamgou forum the studio Kalamgou forum the forum the forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Le Forum du Studio Kalangou est un espace d'échange et de débat. Aujourd'hui, vendredi 31 mars 2017, comme chaque vendredi, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec euh, des confrères euh, des différentes rédactions de la capitale. L'actualité a été marquée cette semaine par l'interpellation et la garde à vue de notre confrère de la radio et télévision Bonferrey, Baba Lafa, encore retenu dans les locaux de la police judiciaire de Niamey. La crise naissante au sein de l'UDR Tabata la libération des civils arrêtés dans l'affaire dite euh, du coup d'État, le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, l'épidémie de la méningite qui sévit actuellement dans plusieurs localités du Niger, le plan de réponse humanitaire OUCHA OCHA sur le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Retour sur le procès des éléments de Boko Haram et en espoir avec euh, le match amical Niger-Cameroun et la Coupe Alpha-Ga en taekwondo organisée à Maradi. Avec nous pour euh, développer euh, ces thèmes, nous attendons d'un moment à l'autre Ali Soumana, fondateur et directeur de publication du journal de l'hebdomadaire Le Courrier. Avec nous dans ce studio, Roufaï Dandoua, rédacteur en chef euh, du groupe euh, de presse Radio et Télévision Leptaco. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Notre troisième invité, El Haj Suleiman Mahamadou, responsable de la rédaction de l'hebdomadaire euh, Le Républicain. Bonsoir El Haj Suleiman Mahamadou. Bonsoir à tous. Le premier point du forum de la presse de ce vendredi 31 mars 2017 porte sur l'arrestation hier jeudi à 6 heures du matin à son domicile par une dizaine de policiers de notre confrère du groupe de presse Bonferré Baba Alpha accusé de faux usage de faux pour l'obtention de la nationalité nigérienne d'une manière irrégulière, semble-t-il euh, Rufai Dandoua, euh, euh est détenu avec euh, son, père euh, et leur deux, deux de leur domicile séquestrés hier. La mère du journaliste a été, a été perquisitionnée hier, excusez. La mère du journaliste a été la, maison du journaliste a été euh, perquisitionnée hier. La mère du journaliste a été interrogée puis libérée hier nuit. Rufai Dandoua, quel commentaire euh, cela suscita en vous Merci Mokhtar. Euh, il faut dire que euh, Baba Alpha, pour moi, c'est au-delà du confrère, c'est presque un ami aujourd'hui. Depuis que je suis venu dans le milieu de la presse, euh, je crois que c'était le premier avec qui on a sympathisé. Et pour rappel, il a été le président de la maison de la presse. je pense que, comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous justiciables. Quand vous êtes en faute, c'est normal qu'on vous, interpelle. Mais moi, euh, apprendre que Baba Alpha a été interpellé à la police judiciaire, gardé à vue pendant euh, deux jours aujourd'hui pour, dit-on, faux et usage de faux en écriture pour avoir sa nationalité. Je pense que de la part du pouvoir en place aujourd'hui, c'est une bassesse. C'est avec tous les problèmes qu'on a dans ce pays, revenir plus bas pour interpeller un journaliste qui fait son travail depuis un certain temps et dont on sait qu'il est ou pas. Est-ce que son travail gêne euh, certaines. Euh, dont, on sait qu'il est ou pas nigérien, puisque je ne pense pas que c'est hier seulement ou avant-hier qu'ils ont eu connaissance qu'il a eu ou pas la nationalité d'une manière douteuse. L'interpeller aujourd'hui ou hier pour lui parler de sa nationalité, je pense que c'est aller trop bas. Donc, d'où votre question. Oui, quelque part, et eh, Baba Alpha c'est pour cela qu'il a été interpellé. C'est en ce sens que je pense que c'est revenir trop bas pour interpeller un journaliste parce qu'il dérange, qu'on l'interpelle pour dire qu'il n'est pas nigérien ou, ou qu'il a utilisé d'autres papiers. Moi, je pense que un État, un gouvernement passer cela. Bien sûr, on va nous faire comprendre que ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, c'est la police qui fait son travail, c'est la justice qui suit son cours. Mais bon sang, euh, je me demande Donc, selon vous, euh, il y a des personnalités qui s'abritent derrière cette interpellation Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des personnalités qui sont derrière cela, mais je pense que c'est vraiment minable de faire cela à un journaliste surtout, parce que juste il dérange, parce que juste il dit ce qu'on ne veut pas entendre, parce que juste il n'est pas avec vous, puisque malheureusement aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous et ceux qui ne sont pas avec nous comme dirait comme le disait l'ancien président américain ils sont contre nous et ce sont des, des, ennemis je pense que quand on dirige un pays quand on dirige un gouvernement quand on dirige un ministère on dépasse ce stade de, de choses Al-Hajj Suleiman, vous partagez ce même avis euh, Bon, je commencerai d'abord par exprimer ma solidarité euh, à un confrère parce que, quoi qu'il en soit, c'est un confrère et par principe, euh, personne ne peut se réjouir lorsqu'on voit hum, ce qui est arrivé à Alpha peut arriver par X ou Y. Donc, ça, c'est le principe. maintenant, si effectivement il est établi que ce que lui reproche, c'est euh, un problème donc de, de, de, de violation des, des, des, textes. Si effectivement il a fait faux usage du faux, ça c'est quand même un délit que c'est pas parce qu'on est journaliste effectivement qu'on peut être amené à passer outre les principes, en tout cas euh, pour euh, obtenir un papier. Donc ça, vraiment, comme disent les juristes, nul ne peut se prévaloir de sa, propre turpitude. Euh, mais, quand même, en tant que euh, journaliste sur le terrain, nous savons effectivement que euh, Baba Alpha, effectivement, il est jeune, est parce que depuis sa gouverne de la maison de la presse, effectivement, il a eu maille à partir avec le, le, régime et il a continué donc dans la même voie. Euh, maintenant, il faut quand même aussi qu'on se le dise, les pouvoirs partout dans le monde cherchent effectivement des pouvoir sur les têtes C'est pas, en tout cas, euh, le pouvoir à ses exigences. Euh, par le passé, nous savons euh, véritablement que, par exemple, les hommes politiques ont l'habitude de mettre de la drogue ou bien des armes dans des véhicules des citoyens, juste pour les prendre ou bien pour la faire du chantage. Donc ça, c'est, si vous voulez, en fait, la machination, en fait, la manipulation du pouvoir, en tout cas, pour véritablement faire taire justement des, de, Oui, Alaï Suleiman, est-ce que le moment est opportun pour l'interpeller Mais justement, c'est que je suis en train, effectivement, de dire, comme il l'a dit, il ne me semble pas que c'est très descendant d'un point de vue des, des, des, valeurs et des, principes. Mais, comme vous le savez, euh, le politique a sa logique, lui, euh, c'est en fonction d'un certain nombre euh, d'objectifs, donc de finalités, qui, bon, par exemple, réussir peut-être à faire taire Alpha Baba, euh, serait pour lui en tout cas une façon de, de je sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que en tant que en tant que j'ai vu la, la, déclaration, le communiqué de la maison de la presse euh, qui a fait donc le, le, le, soutien moral et je suis j'ai suivi toute la journée hier à aujourd'hui <coughs> le débat sur les réseaux sociaux. Effectivement, ce qui revient, c'est que c'est un peu bas, ce n'est pas euh, vraiment élégant de la part du pouvoir de, de s'en jusqu'à ce niveau. Mais vraiment, je pense que on doit véritablement en tout cas, la leçon que j'ai tirée, en tout cas, en tant que journaliste, c'est que véritablement aussi, il faut faire notre autocritique. Peut-être que quelque part, euh, euh, d'une certaine façon, euh, le fait justement d'être un peu extrémiste, avoir des positions très très tranchées, peut-être peut vous attirer effectivement euh, une certaine euh, animosité du, pouvoir. Et je pense que le cas d'Alpha Baba, effectivement, il est dans cette logique, effectivement, il en fait un peu trop. Ça, je le dis. Vous que les, journalistes doivent être un peu vigilants mais absolument, la responsabilité hein, pour un journaliste, c'est-à-dire que véritablement, euh, l'éthique et la déontologie voudraient qu'effectivement, qu'on soit un tout petit peu, en tout cas, euh, qu'il y, a des normes, en tout cas, il y a l'équilibre dans le traitement de l'information, mais lorsque, effectivement, on s'affiche, on, court effectivement le principe. Et je l'ai dit, que ce soit, en tout cas, un journaliste ou bien un, euh, acteur de la société civile, autant, effectivement, on veut donner des leçons, autant on doit être irréprochable. Donc, de ce point de vue-là, je pense que si effectivement il a commis le délit, ce que c'est bien regrettable en tout cas en tant que confrère, mais je pense que euh, on voudrait vraiment effectivement qu'on laisse la justice faire son travail. Mais il me paraît évident que vous, il a dit, en tout cas mon confrère l'a dit euh, avant moi, ce que franchement le, moment choisi est vraiment aussi la le thème choisi pourrait effectivement susciter beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, pas seulement pour le journaliste mais pour beaucoup, en tout cas, de nos concitoyens qui sont dans la même situation. Rufai Dandoua du groupe de presse Leptaco. Euh, pour fermer ce chapitre, euh, Sidi, Omar Sidi Mohamed et aussi euh, à la police judiciaire pour avoir, semble-t-il, faciliter à la famille du journaliste d'obtenir euh, les documents objets euh, de ces interpellations Je crois que si on va, euh, on va sur ce stade, on va interpeller beaucoup de, personnes. Je ne sais pas ce que le confrère parle du reprochable. Baba Alpha n'a pas choisi d'être né au Niger ou au, Mali. Il n'a pas choisi de se trouver peut-être au Niger à un certain moment donné de l'histoire. Il s'est trouvé par le hasard de l'histoire au Niger et il a choisi le Niger pour vivre, grandir ici, travailler ici, à aucun moment, même si eh, c'est un secret de polichinelle, Baba sait qu'il est d'origine malienne, tout comme peut-être moi je suis d'origine, eh, eh, je ne sais pas, gambienne, lui, Alhaï Suleiman d'origine sénégalaise, on ne sait pas, mais est-ce que c'est opportun est-ce que c'est nécessaire de revenir pour un régime parce qu'un journaliste... C'est pour ça que je suis contre l'hypocrisie. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis un homme de principe. Je n'aime pas l'hypocrisie et les condamnations par principe. Pourquoi condamner par principe S'il y a une faute qui est là, oui, même les journalistes peuvent dire oui, il y a une faute. Mais condamner par principe, moi je suis contre cela. Aujourd'hui, que Baba soit interpellé parce que simplement il est incontrôlable. Je pense que de la part d'un régime qui a mille et un problèmes dans, ce pays, qui est empêtré dans des euh, scandales aussi rocambolesques les uns que les autres, qu'il se mette tout bas pour interpeller un journal sous prétexte qu'il a, falsifié ses papiers. C'est vrai, si c'est si confirmé, ce n'est pas bien. Mais imaginez un État qui s'abaisse pour arrêter un, citoyen parce qu'il a falsifié ou bien parce qu'il dérange le régime. Moi, je me rappelle, en 2000, on était parti, et on avait voyagé avec euh, Baba Alpha. Il avait déjà en 2000 ou en ou 99, je, 2000, je crois, il avait déjà son passeport. Vous voyez, passeport nigérien. Bien sûr, parce qu'on avait quitté du Niger. Après qu'on a laissé l'affaire depuis 2000, c'est aujourd'hui parce que eh, il y a un régime qui est là, parce que Baba a, pris position contre ce régime. Maintenant, il faut, il faut comme il a dit, et c'est là où ce qu'il a dit, c'est révélateur de beaucoup de choses. Il dit, on a même l'habitude de mettre où on met de la drogue, des armes et on cherche eh, des poux sur, un crâne rasé. Mais c'est, on, est sur quelle planète Moi, je pense que vraiment, et ce régime est allé trop bas. vous avez certainement quelque chose à ajouter rapidement. Justement, justement, moi je pense qu'il faut être conséquent. Moi, par rapport à certains principes, je suis très clair. Ce que véritablement, quelle que soit euh, la personne qui a failli, en tout cas, à, la loi, là, vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Euh, ce que vraiment, il faut quand même être rigoureux. Si effectivement l'effet est là, ben, je pense que l'espoir, en tout cas pour nous, c'est qu'il est face au juge. Ce n'est pas vraiment le, gouvernement en principe qui doit le condamner. Il y a un juge qui, en son nom et conscience, doit voir si effectivement le, délit est établi, euh, justement, de sanctionner. Donc, de ce point de vue-là, je pense que si, quel que soit, enfin, c'est pas parce que euh, vraiment nous sommes journalistes qu'on peut être amené justement à vraiment faire des forfaitures et penser qu'on est impuni. Ça, vraiment, de ce point de vue-là, il faut être vraiment très clair. Il n'y a pas de complaisance euh, de, de ce point de vue. Passons à présent à un autre sujet. Il s'agit de la libération des civils arrêtés de l'affaire dite de coup d'État qui, constitue qui, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive, aussi bien ici au Niger qu'à l'extérieur du Niger. Alaï Suleiman, on va débuter avec vous. Euh, quels sont les dessous de cette libération Croyez-vous à la pression internationale, comme disent certains euh, Bon, euh, je pense que il y a beaucoup de supputations, beaucoup d'hypothèses mais ce qui est sûr, après 15 mois de, détention, si le juge d'instruction euh, a jugé justement de les mettre à liberté, c'est que semble-t-il, euh, il, n'a pas certainement peut-être suffisamment d'éléments pour, pour continuer à les garder. Euh, donc, de ce point de vue-là, on peut penser que peut-être que vraiment le juge, c'est à son âme et conscience qu'il a considéré que euh, vraiment, les faits sont assez, en tout cas, ce qui leur c'est assez, c'est assez léger. Donc, le dossier n'est pas très, très euh, consistant. Mais toujours est-il que, euh, dans le, on parle de non-lieu partiel. Cela veut dire qu'il y a tout de même des, des, des, des charges. donc, de ce point de vue, effectivement, cette libération pourrait justement se comprendre comme un camouflet pour le régime en place qui, il faut quand même le reconnaître, il a eu des déclarations fracassante. Euh, le ministre de la Défense de, de, l'époque, euh, M. Kadidou Momodo Amam, me dit que. Il y a des, SMS. même pas une question de SMS, il a dit qu'il y a des. Donc, euh, des gens qui ont reconnu des faits vraiment. Ils ont plongé. et il a, il a sur, sur, sur, sur l'honneur. Donc bon, de ce point de vue aussi, comme on sait effectivement, il parle des militaires, il dit quatre, personnes dans le cerveau, donc euh, le général Salou, Salou Mais comme euh, aussi, d'autres analystes parlent effectivement d'une éventuelle euh, intervention. On a fait cas, par exemple, de la fondation Jean Jaurès, l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. dans tous les cas, tout est possible, mais en tout cas, nous observons que à son temps, le MNCD, quand même, euh, avant d'aller rallier le pouvoir, a fait de cela un préalable la libération des prisonniers politiques. Est-ce qu'on peut penser que euh, ça a dans la balance euh, Peut-être que, vous savez, les, les délits politiques, ce pas des choses qui sont sur la place publique. Maintenant, quand vous le dites de manière affirmative, c'est comme si tout le monde, euh, personne ne, peut nous montrer aujourd'hui la, preuve. Ça peut être effectivement vrai. Il y a un militant du MNSD effectivement euh, qui, est concerné. Tout est possible, mais comme c'est que pour le moment, je pense que euh, dans ma lecture de la presse et les réseaux sociaux, c'est qu'en tout cas le sentiment général de l'opinion, c'est que c'est comme vraiment un désaveu du régime qu'on a maintenu ces gens pendant 15 mois et qui voilà aujourd'hui, le juge a dit allez-y chez vous, on ne vous reproche rien. Rufai Dandoua, rédacteur en chef du groupe de presse Leptaco. Euh, que faut-il comprendre par ce non-lieu partiel dont ces civils ont écopé Vous savez, moi, euh, euh, je vais au-delà de l'aspect juridique de, cette affaire. Le 17 décembre 2015, le président de la République a reconnu dans un message à la nation, c'est très important, un message à la nation, devant les 20 millions que nous sommes des Nigériens, le président qui a affirmé qu'il y avait une tentative de coup d'État et que les gens allaient profiter de la situation pour euh, faire un déluge de fait sur la présidence de la République. Ce que je comprends au-delà de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, la parole présidentielle n'a plus d'importance. Aujourd'hui, hmm, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le président peut sortir, faire une déclaration et que les Nigériens le croient Je pense que non. Oublions les déclarations du ministre de la Défense euh, de l'époque, euh, Karijo Mohamedou. Oublions les déclarations de, de Hasmi aussi ministre de l'Intérieur à l'époque c'est la parole présidentielle qui est remise en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne va croire à la parole du président. Certainement que le président de la République a été trompé moi, je, ne suis pas dans, ces, hypothèses de dire que non, le président est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Non. Mais qui on a élu Qui les Nigériens ont élu c'est lui. Aujourd'hui, demain, par exemple, lorsqu'il était parti euh, remettre son mandat en jeu pour briller il faut, un aussi le préciser que ce n'était pas la première fois qu'il annonce ça, euh, une, histoire de coup d'État dans, un message à la Vous rendez c'est lui qui, qui, met son mandat en jeu, pas un ministre. Un ministre, c'est un serviteur de la nation. On peut la lever à tout moment, c'est le président qui le nomme. Et là, c'est la parole du président de la République qui n'a plus aucune importance. Maintenant, si on revient sur un non-lieu partiel, moi je pense que c'est un jeu de mots. Les gens ont fait 15 mois, 3 jours en prison pour, après leur avoir reproché une tentative de coup d'État, après qu'on nous ait fait comprendre qu'il y a des gens même qui ont dit que oui, ils sont impliqués, et aujourd'hui on dit que non, non, le dossier est presque vide, il est léger. On fait un jeu de mots non lieu partiel pour faire comprendre aux gens que non, non, ces gens-là, on peut revenir un jour, qui ne sont pas encore totalement blanchis, comme les gens qui ont, par exemple, la liberté provisoire, parce que presque tout le monde a la liberté provisoire au Niger. Je pense que c'est juste un jeu de mots pour faire comprendre aux gens que ces gens-là, on peut revenir eh, sur alors qu'en réalité, moi, je pense personnellement que ces gens-là, d'abord, il n'y avait pas eu cette tentative de coup d'État. À l'époque, moi, je l'avais dit, redit, répété, et aujourd'hui encore, je suis sur ma position. C'était juste pour faire diversion, pour euh, autre chose, et l'histoire est en train de nous donner raison. Alain Suleiman, vous avez quelque chose à ajouter oh, Non, certainement. Je trouve que c'est très hâtif. Euh, c'est trop tôt, la, euh, en tout cas, la conclusion de, de, mon confrère euh, d'Andoua, Ce que dans la affaire, n'oubliez pas quand que c'est. Il y a des militaires euh, qui, sont, qui euh, Les militaires sont et il y a un civil qui est retenu. Le fils de jeune Salou, c'est un civil, il n'a pas, été, n'a pas obtenu le non-lieu. Donc en réalité, on pourra justement considérer que la parole du président, c'est du vent, le jour où véritablement, on nous dit qu'effectivement, même les militaires euh, vraiment, on, on ou bien en tout cas, on ne proche rien, quoi. Soit, libre, les faits sont légers. Donc, pour le moment, je pense que c'est impératif euh, euh, de le dire. Et je pense que aussi l'autre message, si on libère donc une partie des de, prévenus et on garde d'autres, ce que véritablement cela ceux qui sont gardés, en tout cas, le bon sens nous dit que peut-être que le juge pense qu'il a suffisamment d'éléments pour les garder. Donc vraiment pour le moment, je pense encore une fois en tant que citoyen, il faut vraiment déplorer maintenant, vraiment compatir vraiment pour ceux-là qui ont fait 15 mois, en tout cas pour rien. Si encore euh, une fois, euh, euh, vraiment, ils n'ont rien fait. Donc vraiment, ça, c'est à déplorer. C'est vraiment bien regrettable, en tout cas, d'éviter <coughs> de telle façon de, faire. Maintenant, maintenant, effectivement, le jour où véritablement on, a vraiment que ce dossier est en tout cas, que c'est vraiment un lieu général, ça vraiment, à ce moment-là, franchement, euh, ce serait très très décevant en tout cas de la part du, président. cela qui l'a induit en aura en tout cas, et lui doit vraiment assumer les conséquences. Mais il faudrait que ce n'est pas la première fois qu'il y avait eu de, ce genre, de, propos. La première fois, il y avait eu un non-lieu. C'était en 2011. C'est pas la première fois, c'est la deuxième ou la troisième fois. Et je me rappelle, l'actuel euh, haut représentant du président de la République, il en a fait. on, se rappelle de son interview sur RFI avec euh, le, journaliste de RFI lorsqu'il faisait comprendre que c'était un de vide, politique politiques juste pour euh, d'autres fins. Aujourd'hui, qu'ils sont ensemble, maintenant, je ne sais pas ce que eux maintenant vont dire, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que la parole du président de la République est mise en doute. Aujourd'hui encore, il sort pour cette affaire. J'ai comme l'impression que dans ce pays, et de scandale en scandale, on, on parle de diversion en diversion et on est en train de, faire de, ce pays ou de, faire de ce peuple comme eh, eh, eh, un, mouton qui ne comprend rien, qui ne fait que suivre, alors que euh, beaucoup d'affaires sont là et pour lesquels il y a beaucoup de semblants de vérité. Merci, messieurs. On se retrouve dans un instant. Autre sujet abordé par la presse au cours de la semaine, sur cette crise naissante au sein de l'UDR Tabata, avec euh, d'un côté euh, des militants qui pensent que le parti doit regagner la mouvance présidentielle et de l'autre euh, ceux qui estiment que le parti doit rester à l'opposition étant membre de la COPA bien avant les élections qui ont porté le président Issoufou au pouvoir pour un second mandat de cinq ans. Alagé euh, Suleymane euh, Mahamadou euh, du journal Le Républicain en tant que journaliste au parfum de ce qui se trame dans les différents états-majors politiques. Qu'en est-il ou que faut-il comprendre au sujet de cette crise dans la famille de l'Udéa Tabat de Boubacar Sissi Bon, vraiment, je ne m'attendrai pas à apprécier la vie d'un parti politique. cest que ça, en fait, si vous voulez, c'est vraiment de la politique politicienne où euh, on le voit, euh, les différents partis politiques, euh, même au sein de la majorité actuelle, on voit par exemple ce qui se passe. Est-ce que c'est le concassage qui continue des partis politiques Bon, ça peut être un jeu normal en fait des partis politiques où vraiment c'est une véritable jungle où certains souvent le gros poisson voudrait vraiment manger les, les, les, les petits. Mais c'est de bonnes guerres quand même, euh, ne voulions pas. C'est de bonnes guerres, ça euh, se conçoit. Quand je dis c'est de bonnes guerres, par exemple, tout le monde sait que Boubacar euh, Sissé, pour avoir juré un rôle très important avec le régime actuel au premier mandat, il a décidé véritablement de manière très très radicale de, de, de, de rompre l'alliance et il est allé donc aussi à l'opposition. Donc cela fait que, véritablement, comme on a vécu euh, cela avec d'autres partis, effectivement, autant que faire se peut, euh, la majorité au pouvoir ou le principal parti au pouvoir ne va pas lui faciliter la tâche. Donc euh, j'ai comme l'impression, ce n'est pas en fait récent, bien avant lorsque au, moment de la crise justement dans le avant les élections, il y a eu cette tendance-là où euh, les députés de, de, de, de n'étaient pas véritablement euh, avec, avec Cissé. Bref, euh, je pense que c'est des bonnes guerres. Aujourd'hui, la majorité au, pouvoir. C'est des bonnes guerres, c'est le, fait de ce n'est pas se plier aux ordres du, justement, du groupe politique national. voudrait essuyer Amadou Bakar Cissé. effectivement, c'est de bonnes guerres. Maintenant, comme je l'ai dit, en fait, aussi, au niveau politique, c'est, en fait, si vous voulez, ce n'est pas un, un, délit, le fait de, vouloir effectivement euh, concasser, comme vous, le dites, euh, son adversaire, parce que c'est de bonne guerre. Vous voyez, en fait, euh, même les partis de l'opposition, quand les gens viennent voir eux, et c'est pas gratuit, on est allé justement déboucher des militants. Quand on vient, on, a, la télévision, la, radio, pour effectivement annoncer que notre parti, en tout cas, accueille tel militant. vous voyez, en fait, c'est un jeu vraiment classique, tout simplement politicien d'un doigt du groupe de presse euh, Liptako, selon vous, où se situe la légalité et la légitimité euh, de l'un ou de l'autre quand dans cette famille en voie de dislocation je pense que tout le monde sait que le président légal du parti, c'est Sissi. Maintenant que des gens, euh, parce que commencent à avoir faim, et veulent aller du côté du pouvoir c'est tout à fait eh, normal dans le jeu politique au Niger depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. C'est à quoi on assiste. Mais j'avoue que je ne comprends sincèrement pas El Haï Suleiman quand il dit que c'est ou concasser les partis, c'est eh, normal, c'est la logique des choses. J'ai comme l'impression que pour lui, il n'y a pas de morale à la, à la politique. Et je pense que aujourd'hui, ce régime depuis l'arrivée au pouvoir, aujourd'hui nous sommes à la sixième année, le, 2 avril, je pense que, ce régime a atteint eh, le summum de l'immoralité politique en termes de, concassage de partis politiques. Qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui après les dix ans de Youssoufou Je pense que la première chose qui va revenir en tête des Nigériens, c'est d'avoir réussi à tuer la démocratie au Niger. Pourquoi Regardez, en dehors du PNS, quel est le parti qui n'avait pas eu de problème au Niger depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui Il n'existe vous pensez que c'est une entorse à la démocratie Pour moi, c'est pas une entorse. On tue la démocratie. Et je pèse bien mes mots. Lorsque vous êtes en face d'une opposition qui n'est opposition que de nom. Lorsque vous êtes en face d'une société civile qui n'est société civile que de nom. Lorsque vous êtes en face de la presse, parce qu'on le sait, un moment où, déjà c'est un secret de polichinelle, que beaucoup de médias, beaucoup de journalistes ont fait allégeance au régime pour tout simplement manger, lorsque on fait tout cela, je pense que ce n'est pas un entente, ce n'est pas une fracture, mais c'est la mort lente de la démocratie. C'est à cela qu'on assiste. Et je pense que et, tous les espoirs qu'on avait placés lorsque le président actuel était chef de file de l'opposition, tous ces espoirs sont déçus aujourd'hui par tous les Nigériens qui avaient cru que lorsque Issoufou viendrait au pouvoir, il serait et de la même façon qu'il a été un bon euh, opposant, qu'il serait un bon président. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce même personnage à qui on a laissé le terrain libre, à qui on a laissé la liberté pour euh, être un bon opposant, celui qui empêche aux gens d'être des bons opposants, celui qui empêche aux gens d'être des bons journalistes, celui qui empêche des gens d'être des bons acteurs de la société civile. Et je pense que ça, c'est un mauvais bilan qu'il va. Vous avez quelque chose à ajouter très rapidement en 10 euh, secondes Je dirais à mon jeune frère qui dit qu'il n'y a pas de morale, ma vision de choses fait qu'il n'y a pas de morale en politique. Euh, je dis encore une fois, à partir des fondamentaux de la politique, ce qui se passe là, c'est des bonnes guerres, c'est normal en démocratie quand nous suivons notre histoire euh, politique, pendant tous les raisons qui se succédaient, il y a eu justement ces affaires-là, ce ces affaires qu'on appelle, euh, on vient en fait déclaration de défection justement. Euh, Mais maintenant, non, dans tous les, dans tous les, cas. Ça a commencé surtout avec Barry. Justement. Oui, les défections. Cela veut dire que c'est ça qui continue et demain encore après Issou. Conformément à la constitution de la septième République, le bureau de l'Assemblée nationale a été renouvelé euh, sans femmes aux principaux postes et la question de la vice-présidente, de la vice-présidence euh, de la haute cour de justice qui revient à l'opposition. Rufai Dandoua du groupe de presse euh, Leptaco. Comment vous voyez-vous cette euh, reconfiguration suite au renouvellement du bureau politique euh, de l'Assemblée nationale hmm. Sincèrement, moi, je pense que ça, c'est ça, c'est un non-événement. Qu'il y ait renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, ça, c'est dans la logique des choses. La, Constitution est claire, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Chaque année, on va changer le, le bureau de l'Assemblée nationale, sauf le président. C'est dans la logique des choses. Euh, que maintenant les gens euh, veulent faire euh, de la polémique parce qu'il n'y a pas de femmes, parce qu'il faut respecter le quota. Moi, j'ai toujours dit que le quota même à lui est une discrimination. Lorsque les femmes veulent être les égales de l'homme, c'est à elles de se lever. Dans tous les partis politiques, il y a des femmes. Et dans tous les groupes parlementaires, il y a des femmes c'est à elle de s'élever pour dire écoutez, moi, au même titre, par exemple, que Hirosani, qui est président, le premier vice-président, par exemple, du PnDS, je veux être aussi vice président Maintenant, c'est à elle de, de, battre campagne ou c'est à elle de savoir négocier au sein de son groupe parlementaire ou au, au, sein des instances dirigeantes de son parti pour montrer qu'elle mérite ses postes. Si il n'y a pas de femme qui mérite ce poste au PNDS, au poste de la première vice-présidente, pourquoi on va lui donner Juste parce qu'elle est une femme. S'il n'y en a pas au sein du groupe Zanzam, parce que après ce que j'ai appris au sein, par exemple, du groupe Zanzam, il y a une femme qui a été seulement à l'école parmi elle et elle aussi, elle n'a pas un niveau aussi élevé qui peut lui permettre d'être première vice-présidente parce que première vice-présidente suppose par exemple ou deuxième être suppliant pas suppliant, et prendre la place du président ou du, premier vice-président en cas de voyage ou de vacances euh, euh, de pouvoir, est-ce qu'on va donner le pouvoir à une femme juste parce que elle, est femme Moi, je pense que non. Est-ce que on va venir dire bon, il faut donner aux femmes Déjà, on a biaisé les choses en mettant dans la Constitution du Niger qu'il y a un quota pour être des, des députés analphabètes. Ça, c'est un problème. Puisqu'aujourd'hui, quand vous prenez les femmes, je ne sais pas, peut-être en dehors de, euh, la, dame, euh, comment elle s'appelle Donc, selon vous, il y a lieu de remettre en cause le principe du quota. Moi, j'ai toujours dit que le quota en lui-même, c'est une discrimination. Pourquoi Déjà, quand vous prenez le quota, les femmes ont pensé que quand on a fait euh, l'histoire du quota, c'est pour elles. Or, le quota, c'est pour l'un ou l'autre sexe. sexe. Mais aujourd'hui, parce que on dit que c'est le sexe faible, elle, elle pense que ça s'adresse à elle, alors que ça peut aussi s'adresser aux hommes si <coughs> elles ne peuvent pas lutter pour avoir un poste électif au sein de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on n'aurait pas parlé de discrimination. Alaj Suleiman Mahamadou de l'Obdomadaire Le Républicain, le poste de vice-président de la, de la haute cour euh, était acquis pour l'opposition parlementaire à présent que le parti, le MNSD Nassara, euh, dont le député occupe le poste à virer dans le camp de la mouvance au pouvoir. Pensez-vous que ce poste reviendra à l'opposition actuelle Bon, euh, j'ai suivi quand même le débat avec euh, les parlementaires eux-mêmes, euh, à savoir que l'affaire va être certainement portée au niveau de la, de la Cour constitutionnelle si effectivement il y a lieu d'appliquer les textes, euh, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, par conséquent, je pense que euh, c'est une question donc euh, vraiment de, la, loi, en tout cas, euh, qui va être réglée. La Cour ne va pas être complaisante. Si ça revient à l'opposition, ça va aller à l'opposition. Mais je voudrais apprécier la, cette histoire des quotas. Je dirais encore une fois à, à la question de la discrimination positive, c'est vraiment un truc pédagogique, provisoire. Euh, comprenez les femmes, les personnes handicapées, et particulièrement euh, maintenant quand je dis, puisqu'on parle à l'Assemblée, la question des, femmes. En réalité, vous êtes d'accord avec moi que au niveau de notre contexte socio-politique, en tout cas, les femmes, le cadre est tel que aujourd'hui, elles ne sont pas nombreuses seulement qui sont autorisées par leur mari à aller donc euh, faire de la politique. Donc en réalité, ça a été fait à dessein vraiment de manière provisoire et pédagogique pour permettre vraiment aux femmes, parce que comme on le dit, un pays ne peut pas vraiment se construire effectivement la moitié de la population est négligée. Donc c'est pourquoi effectivement on, a fait cela. C'est vraiment provisoire. Je suis d'accord avec vous que vraiment dans l'absolu en tout cas il faut que les femmes se battent comme les hommes vraiment, pour émerger politiquement. 18h pile 50 euh, euh, minutes. Euh, autre sujet de l'actualité, c'est cette épidémie de la méningite qui sévit comme chaque année au Niger. À Niamey, elle a déjà fait plusieurs morts dans les districts, dans les districts euh, sanitaires de la commune de Rufai Dandoua du groupe de presse euh, Leptaco. Comment expliquer des morts alors que cette épidémie de méningite refait surface euh, régulièrement dans notre pays Niamey avait n'avait-il pas de vaccin n'avait-il pas de vaccin disponible pour euh, prévenir la maladie Voilà un problème auquel les autorités doivent s'attaquer, que de s'attaquer à un eh, paisible citoyen, à un pauvre journaliste qui Alpha. L'année passée, on avait le même problème de la méningite. L'année surpassée, on avait le même problème de la méningite. Aujourd'hui, peut-être qu'on va parler de sujets sur l'école nigérienne. On a un problème eh, dans le système éducatif nigérien mais on oublie tout cela, on s'attaque à des, à, des, à des, petits problèmes ou à, ceux qui ne constituent pas un problème. Moi, je pense que c'est. Vous avez, on dit, pour euh, diriger, c'est prévoir. Lorsque vous savez que chaque année, c'est presque cyclique, chaque année, on a une épidémie de la méningite. Et qui sauf que les choses ne sont pas les mêmes. D'accord, mais pourquoi on a des spécialistes pourquoi le ministre de la Santé est, entouré des de, techniciens Les techniciens du ministère de la Santé ne sont pas vous et moi. On prend des, médecins pour qu'ils puissent anticiper sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit que diriger, c'est prévoir. Ça veut dire, essayer de, penser ce qui va se, se passer demain. Or, là, on sait même que chaque année, que le Niger étant un pays où il fait extrêmement chaud, donc on est est sujet à être euh, victime ou à être atteint par certaines euh, maladies. Mais qu'est-ce qu'on a fait je pense qu'on n'a rien fait. C'était la même chose que l'année passée où il y avait eu beaucoup de morts. Et lorsque ça se passe encore à Niamey, c'est là où c'est très grave. Le centre névralgique du pouvoir. Et, pour tout le Niger, pour votre information, il n'y a que 56 000 doses, à peu près 56 000 doses. Pour 20 millions d'habitants, vous voyez. Euh, Alaïs Alaï Suleiman euh, Mohamedou Mahamadou du de l'hebdomadaire Le Républicain, euh, selon vous, quelle réponse face à l'urgence euh, J'ai suivi le ministre de la Santé qui a animé un point de presse, donc faire l'état des lieux. Il a véritablement annoncé dans quelques zones, en tout cas, l'épidémie est vraiment enclenchée. Donc, ils sont en train de faire donc de prendre des mesures euh, donc, pour essayer de canaliser la situation. Mais le constat est le suivant, c'est que véritablement, il faudrait être un peu plus donc euh, prévoyant, à savoir que c'est une situation donc euh, chronique. Il faut prendre des mesures et véritablement aussi c'est cela. Notre pays, s'il occupe la dernière queue en matière d'IDH, c'est fondamentalement le résultat au niveau de la santé et au niveau de l'éducation qui nous pénalise parce que cela veut dire qu'il y a vraiment du travail à faire euh, dans ces deux secteurs euh, particulièrement. Donc euh, vraiment, je pense qu'il est important que le pays, en tout cas, parce que il faut le reconnaître, avec le pétrole qu'on a dans ce pays, avec en tout cas plusieurs ressources que le pays dispose, on pense que on pourrait, euh, si tant est que la santé des populations est une priorité, en tout cas, les questions d'épidémie, parce que euh, ça, quand ça arrive, euh, ça fait des dégâts au niveau surtout de la petite enfance. Donc, je pense que, en tout cas, l'attente de tous citoyens, c'est vraiment qu'on puisse disposer véritablement de quantité de vaccins en temps opportun pour qu'on puisse vraiment faire face à à l'épidémie. du groupe de presse Liptako, <clears throat> quelle solution face à la récurrence et à la gravité de la maladie Rapidement. Oui, je pense dès l'instant où euh, l'épidémie s'enclenche, puisqu'il y a un quota à partir duquel on peut parler d'épidémie. Un euh, seuil. oui, un seuil, voilà, à partir duquel on peut parler d'épidémie dans telle ou telle zone, puisque ça peut ne pas être sur toute l'étendue du territoire, mais dans Maintenant, euh, le, stock de vaccins qu'on a, c'est de l'amener là où il y a l'épidémie ou les zones où il y a l'épidémie pour essayer maintenant d'éradiquer la maladie et maintenant prendre les mesures nécessaires pour que les autres euh, entités qui n'ont pas euh, qui, n'ont pas cela euh, maintenant puissent euh, être aussi eh, mis mise à l'abri parce que lorsque eh, une population est en train d'être décimée par euh, une maladie, comme l'a dit. C'est pas trop fort. non, je, ne parle pas. ça, je ne parle pas du Niger, quoi. Lorsque donc la maladie atteint un certain stade, ce qui c'est grave et comme il l'a dit, c'est ça qui nous pénalise en termes de d'IDH parce que ce sont eh, des secteurs sociaux vitaux qui sont pris en compte comme l'éducation, la santé, pour euh, classer les, pays. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui encore, on est avant-dernier euh, sur les pays classés. Sur tout un autre aspect, le bureau de, la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a fait le point sur la situation humanitaire et sécuritaire au Niger. Selon ce rapport, plusieurs localités des régions de Tawa et Tilaberi sont en situation d'urgence pendant ce temps. Les besoins sont estimés à 271 millions de dollars et 95 millions de dollars sont disponibles, soit 35% des besoins. DIFA et financé à hauteur de 11%. Quel commentaire du groupe de rapidement. Oui, c'est une politique euh, d'ensemble. C'est les autorités ont, il faut le reconnaître, ont fait beaucoup de choses, mais qui ne sont pas suffisantes parce que il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Le, le pays étant vaste, mais il faut <clears throat> surtout savoir ou amener euh, l'aide nécessaire euh, pour les populations. Il ne faut pas faire euh, le matu il ne faut pas faire le beau comme on dit, juste faire du bling bling alors qu'il y a d'autres aspects plus important. Mon, mon commentaire par rapport à cela, c'est qu'on ne sait pas ce qui est prioritaire dans ce pays. Alaï Souleymane, euh, Mahamadou, pensez-vous que les ONG humanitaires euh, peuvent à elles seules euh, répondre efficacement face aux défis sécuritaires et humanitaires sur le terrain Rapidement, en 30 secondes. Bien avant, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre a fait la même action avec les partenaires techniques et financiers pour faire l'état du lieu et demander ce qu'il faut justement. Moi, je pense que euh, c'est une réalité, c'est que euh, le pays n'arrive pas à faire face. Euh, donc, vraiment, à ces charges régaliennes, c'est très, important de, le noter. Cela veut dire que jusqu'à présent, l'assistance humanitaire est sollicitée. Donc, rien à faire. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, euh, lorsque nous considérons que le pays a des ressources, euh, en tout cas vraiment qui sont en vue, en tout cas très très euh, prisées dans le monde, on pense que franchement, si tant est qu'on a des priorités dans ce pays-là, en tout cas, qu'on puisse véritablement faire, en tout cas, que les Nigériens puissent nourrir les Nigériens sérieusement. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Rufa Dandoa, euh, rédacteur en chef du groupe de presse euh, Leptako. Nous étions également avec Alhaj Suleiman Mahamadou de l'hebdomadaire Le Républicain. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous lundi 3 avril, 3 avril, euh, même heure, même fréquence pour discuter d'un autre thème. Merci, au revoir.